démarrer mon propos, euh, comme nous l'avons fait tout de suite, euh, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de certaines personnes qui nous étaient proches, aujourd'hui disparues. Je pense à notre grand frère Abdouba, je pense à nos sœurs Ken Diata et Dienaba Dja plus connu sous le nom de Djéo, qui nous a récemment quittés qu'Allah l'accueille en son paradis céleste, ainsi qu'à tous nos disparus. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence, chers membres de partis politiques et de mouvements ici présents, chers invités, aussi la presse qui est venue couvrir cet événement. Il n'est rien d'autre qu'un fait en préparation ici à la SICAP Liberté par rapport à un hold-up qui se prépare. Je dis bien hold-up parce que lorsqu'on veut faire élire en maire sur la base de transfert des populations qui n'habitent pas cette commune, cela s'appelle un hold-up. C'est ce que nous sommes venus dénoncer aujourd'hui. Dénoncer dans un premier temps par rapport à une responsable de la mouvance présidentielle, je le citerai plutôt de l'APER, que je dénonce sous couvert, parce que c'est des jeunes qui sont sous couvert de cette responsable-là, qui sont en train de faire du faux, du faux, des faux certificats de domicile sur lesquels on a mis la main. on a mis la main parce que tout ce qu'on dit, on le vérifie et euh, on l'exhibe devant tout le monde. Ce que vous voyez là, c'est un faux certificat de domicile. J'en ai une pile. Hein. Ça, c'est un autre quartier. C'est le faux certificat de domicile. On a repris, ressaisi un certificat de domicile, scanner la signature du délégué de quartier. Et ce que je dis là, c'est après vérification. Scanner euh, la signature du délégué de quartier, aller demander des certificats de résidence sur cette base-là. Et ce sont des personnes qui n'habitent pas la commune de Sicap Liberté. Euh, je veux dire par là, si on n'a rien d'autre à apprendre à notre jeunesse que le vol, que la tortuosité. Laissez-les. Laissez-les aller chercher ailleurs. Laissez-les aller vers ceux qui donnent des exemples. Ceux qui sont des références aujourd'hui dans cette commune, il n'en manque pas. Cette jeunesse n'a pas besoin de cela. Aujourd'hui, figurez-vous, nous allons déposer une plainte. Et nous avons clairement identifié la personne qui a amené ça à la mairie. Et euh, il devra en répondre. Mais le responsable, peut-être, n'assumera pas euh, qu'il l'ait envoyé. Mais mieux, je vais vous dire, lorsque nous avons découvert cette forfaiture, nous avons alerté le comment ça s'appelle, l'officier d'état civil par rapport à ça. Parce que par ailleurs, je suis adjoint au maire. Par rapport pour veiller à ces documents. Figurez-vous qu'ils sont allés à la sous-préfecture pour se faire délivrer des certificats de, de résidence directement. Alors qu'à la mairie, il n'y a rien du tout. Je vais vous sortir encore des certificats de résidence euh, dont ces personnes n'habitent pas la commune de ségap Liberté. Et c'est le sous-préfet. Donc c'est euh, l'administration territoriale est complice de cette forfaiture. Et je le dénonce. Je le dénonce. Notre administration territoriale, là où se euh, déroule les opérations d'inscription, il est en train de délivrer des certificats de résidence à des non-sicapois. Sur aucune base. Parce que moi, j'ai des certificats de résidence ici, des personnes qui n'habitent pas la SICAP, qui n'ont pas d'attache à la SICAP. C'est avec des preuves que je parle. Et j'interpelle le sous-préfet pour qu'il arrête. Ne te République du Sénégal le représentait représenté l'Aber, APR représenté vous le Bokk représentez-vous le Benin. donc je veux que ça soit clair et je profite de l'occasion pour avertir ces personnes qui sont transférées comme du bétail que le jour du vote qu'ils ne pensent même pas à mettre les pieds ici dans la commune de Sicap Nous y veillerons. Je suis ferme. Je, voudrais que ce soit très clair. Nous connaissons les Sikapois. Nous, connaissons ceux qui ont déménagé. Nous connaissons ceux qui habitent les régions et qui viennent toujours voter à la CIC. Nous les connaissons. Parce que nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous avons fréquenté la commune de long en large. Donc je les avertis. Parce que nous ne répondrons pas de nous-mêmes ce jour-là. En gros, c'est ce que je voulais déclarer, dénoncer et par la même occasion inviter nos jeunes inviter nos femmes, inviter euh, les adultes à aller s'inscrire massivement. Quand je parle massivement, ça me fait penser à la semaine dernière où euh, un média a déclaré qu'au niveau des parcelles assainies, il y avait environ 500 inscrits. J'étais étonné parce qu'à ce moment même, à la commune de Sigap-Liberté, il y avait environ 500 inscrits. Alors que le corps électoral des parcelles assainies fait au moins quatre fois celui de la commune de N'est-ce pas étonnant Donc, ce sont des questions que nous posons. Mais nous sommes là, nous veillons, et nous allons continuer à nous battre pour qu'Inch'Allah, ce scrutin-là soit un scrutin le plus limpide possible. La forfaiture ne passera pas. Voilà ce que je voulais déclarer aux uns et aux autres. Voilà, euh, merci beaucoup. waa salaamaaleykum mbooloo mi dama leen woolu tey ngir euh, ñaawlu ñaawlu loo xamante ne mi ngi am ci commune Sicap Liberté depuis bi inscription yi démarré ci commission électorale dañu gis ne ay nit ay ndaw am ndaw APR dama koy cité sous couvert xam nañu kuy responsable am

ñoom ñu dem seeti feneen wala ñeneen ñoo xamante ne dañ leen ci teg yoonu jub jàngal leen jub jàngal leen lu baax parce que ki ngay jàngal sàcc élection suba day sàcc leneen loolu rek lay xam tradition boobu mooy wëy te ñun d'accorduñ ci lool ndaw yi Sicap soxla nañu leneen man mi nekk ci mairie bi nekk adjoint au maire xanaa kay maa waroon jóg dem ci officier bi naan ko defal ma ay résidence di def transfert defuñu ko ñun ñu nekk ci mairie bi yow mi ne ci àll ba nga ñëw di ko fa def lan moo gën a ñaaw loolu mais bu yemoon foofu mu neex bi ñu téyee loolu bloqué seen système bi ñu dem ca sous préfecture ba c'est vrai sous préfet am na droit de defar certificat de résidence waaye lan moo ko waral mairie kenn buuxante wu fa ñi fa war a am ñëpp bu ñu ñëwee ñu jox leen ku ci indi kayit ya nga war a indi ñu jox leen sa certificat de résidence moom sous bi di leen jox ay certificat de résidence bi ci gën a graaw mooy certificat de résidence yi mu leen di jox ay transfert la ñoo xamante ne li may wax ni dama ci yor ay preuve moom laa téye moo tax ma ñëw ko wax ma bëgg ko interpeller moom la sous-préfet moom it dafa war a tëddee njaaxaanaay ndax représenté wul parti république du Sénégal le représenté ñun ñu nekk ay citoyens sénégalais mu war ñoo téye ku ci nekk ni nday ji séex donc loolu dama ci dama ko ci interpeller ngir yooyu ñu arrêté yooyu ñu arrêté yooyu ñun nag ñi ngi veillé ñu ngi xool lii dinañ ko yóbbu ci yoon ba fa mbaxane doone benn ñu àtte ko ndax pratique yi dafa war a jeex deux mille vingt et un yi ñuy wax waxi transfert li ma njëkkee woon mooy hold up maanaam sàcc suffrage yu Sicap Way yi xam nga mooy lan nga dem jëlee ay doxandeem ñëw pour ñu indi leen ñu fal la biir Sicap loolu dafa ñaaw boo toogee looy nooy xoolee waa Sicap li waa ji doon wax bu ma boo demee looy xoolee looy wax waa koñ ba noonu lañ koy waxee donc yooyu la ñu bëgg a dénoncer et boo xoolee c'est en tout cas Dakar moom ni mu fi mel dafa ñaaw démb maa ngi déglu benn maire euh, point e, muy dénoncer lu mel noonu feneen noonu jëppal keroog tamit noonu donc commune yu ñu wër yëpp ñi ngi dénoncer pratique yooyu te ñiñ ciy cité yëpp mooy ñi nekk ci parti au pouvoir dafa doy élection yi ñi ko mérité dinañ ko gañe kon boog nañu liggéey rafetal ci loolu lañ leen di invité ñi nga xamante ne nag ñoom la ñuy transféré dama leen di artu Sicap loolu njëkkeewu fii ren te on a su les contenir donc ma leen di artu rek bés bu ñu élection jotee ñu jëm fee teg seen tànk ñu ngi leen di xaar buntu Sicap yëpp xam nañ leen xanaa ñu ñëw fanaan amuñu fi kër buñ fi fanaan duñu am fuñ tëgg bu ñu tëddee ci mbedd yi tamit dañ leen yëkkati loolu laa amoon ci gàttal euh, déclaration bu may def di leen sant di leen gërëm encore une fois yéen ñëpp ci seen teewaay di remercier le président Karim ci teewaayam les responsables madame Ouli madame le maire Koumba les responsables madame Ba ah di remercier Béatrice Sané di remercier Imam Anne ak invité yi fi nekk yëpp ku lim jum ma leen di sant seen teewaay di leen gërëm wasalaam